C'était simple, hein. c'est que je ne suis pas venue tout simplement parce que demain est problème. Demain est problème euh, au sein de ma famille. Donc euh, parfois ça me pose euh, énormément de problèmes. Je man mhm. depuis notre retour de la France nous vivons au sein de la maison familiale donc. Il nous arrive parfois d'avoir euh, des problèmes avec euh, ma mère, la famille en quelque sorte. Et ça me perturbe. tu sais en plus de ça moi j'ai pu c'est vrai décrocher cet emploi mais mon mari ne travaille pas encore donc euh, c'est un peu difficile pour nous bon euh, je te comprends madame euh, mais ma bon c'est une bataille hein. ça ça va arriver à tout le monde Il y a un problème par-ci par-là mais il faut s'abattre il faut s'abattre quand même il faut il faut jamais se laisser abattre par les par les problèmes bon pour cela moi je pense bien que ni yow waru sax problème hein. parce que nous, nous tu dois te war nga ñëw ci man si amee problème wax ak man ma jàppale la parce que bon yow ku neex a jàppale nga <laughs> tu mérites pas ça mais mérite woo sax amay problème ah donc euh, considère-moi comme quelqu'un boo xamante ni da nga ñëw ci man sans protocole quand même ah ah Remets toi tiens bon bon. Et puis je t'annonce que tu es venu au bon moment parce que la société, c'est euh, périodique, on a l'habitude de donner des primes. Alors moi, j'ai pensé à toi. Donc là, vous avez, tu, vas te bénéficier d'une prime de 200 000 francs. Les 100 000 francs, de meloon de ma c'est ce problème man vais ah. ah voilà et là je pense bien que tu vas t'organiser. Non, Monsieur Sec, attendez. Pour la prime, d'accord, peut-être euh, méritez-moi peut-être. Mais pour les 100 000, je ne vois pas pourquoi nga war ma caméra. C'est parce que tu es une grande dame. Non, non. Non, Non, mais je ne peux pas Et puis, je préfère t'appeler Absa. Absa Oui. Désolée, mais je préfère madame Fall. Bon, un problème. <laughs> Voilà, C'est pour toi boo xam ne ma je sais que y a ku mën entretenir sa bopp la kon koo xam ni doo <laughs> en tout cas bon je sais pas je sais même pas quoi dire sinon te dire merci de ta disponibilité d'abord et de ton soutien ah, moral. ba léegi à part tout ça bonne parfum toujours. <laughs> ah mais je sais que ça je préfère le garder pour moi. hein.. tu blesses hein. Il y a Bon, écoutez, je pense qu'il vaut mieux qu'on s'en tienne là. Non problème, on a, non problème. oui. Mon bureau est grandement ouvert. Merci beaucoup. Et tu es radieuse, madame Fall. <laughs> bon, je vais retourner au travail. Je vous, hein. je vous en prie. Merci pour ta générosité. Je t'en prie, madame Fall. Chérie, à dama de le cadeau. cadeau c'est quoi encore. Voilà, de ma voiture. après ma jaax gaar ba bitu ko Assane Je fekk Pa Mor di indi arrivage ah d'accord chemise ah alors j'ai pensé à toi. Ah voilà tu vois beaucoup mal à vouloir sa chemise. <laughs> et bien yaa quoi oui elle est jolie hein. ah ah ça te plaît. ça je vais la mettre aujourd'hui. ah c'est allez vas-y avec toi. merci beaucoup. Hum, pas de quoi chérie. Ben. Alors, et le boulot Ben, ça va, ça va. Pas trop fatigué. Heureusement que j'ai un directeur tellement compréhensif. Vraiment, jusqu'ici, jusqu'ici, on n'a pas de problème. Non, hein. là, c'est bien. Là, c'est bien. Là, c'est bien. Ben, à part ça aussi, j'avais autre chose à te dire. Mmh. paa mhm. dama bëgg nag nga déglu ma ak xel bañ ma déglu ak xol. waaw ah. toi et moi on se comprend hein. Mhm sama yaay encore sama yaay xam nga tey au service dañu amoon prime hein? bon léegi j'ai pensé à ça pour ñu génnee somme bi mhm. pour mën ko jox sama yaay quoi ñu ne ko ñoo ko jàppalee si kër gi xam nga mhm. xam nga sama yaay kay affaire non non hein? mu jaatar kay pour ñu am jàmm sax tuuti si kër gi ah bon tu vas lui remettre ça de ta part bu ma fa sax tudd Meug. Yo, ok. Toi aussi. Ouais, pas mais mais là, où est le problème Attends, attends, attends, tu sais que ça, ça me gêne. Franchement, madame Dutour, docteur, c'est Pape, ah, tu sais écoute, que je peux pas affronter dans l'homme. Écoute, arrête-toi aussi. kooku sama diggante ak yow la c'est entre nous elle n'en saura rien du tout Bon, ma xam sax fu mu allez vas-y D'accord, ouais. Oh, Demain. faama jàll sama goro xaddati na kaaba ga daf may yóbbu vous bi damay ziyaare ji yonent bi waaw boobu dinaa fa ànd ak moom sax ndax faw ma indil leen ko mu defal leen teraanga billaahi maa ngi koy gërëm di ko sant dinaa la woowaat dégg waaw ci semaine bi rek dinaa fa ñëw nit ma sa yaay waaw ah, ah, dama yoroon fii tuuti xaalis ma ne xaaral ma ñëw jox la suñu participation ci kër gi daal

alhamdulilah ñii ñoo ma yëpp dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg ay xaar chut kon kontaan gis gëj naa gis keroog jël sa aéroport waaye kon tey suñu affaire baax na asa <laughs> xam nga kii yebu ma yow moom yaa ma yeb waaye dama leen bëgg xam ne yéen ñaar ñi man duma seen moroom yow sa yaay laa yow lu tax ngay jox kii xaalis bi pour mu ñëw di ma ko jox rey waaye dagg nga sama xol bi ba pare seetal sama doom ji ni mu jongo xam nga ni mérité woo ko gis nga lii sama xaalisu doom la dinaa ko lekk mu lew ma doom ndax ko fi liggéeyoo waaye wuti leneen waaye laa yaa ñàkk jom Все, все, все. Oh, oh, ай. No, no, no, no. aller prendre les je vais, Je vais rentrer un peu plus tard. ce matin jaaruma temps mais je vais xale aller rek ok d'accord Rafa, ça va. ça va très bien monsieur Sec. ça marche bien. ben oui jusque-là ça va. Alhamdulillah. et comment tu as acquis ton ta nouvelle nomination. Ah, très bien. Mhm. Euh, j'espère seulement mériter ces honneurs. tout à fait bon c'est sur ce bon. D'autant plus qu'actuellement, tu t'occupes euh, de la direction du marketing. Oh, puis je sais que tu, vas réussir. Parce que c'est un département qui me tient trop à cœur. Mm. Donc, euh, il, faudra faire le maximum possible pour pouvoir atteindre les objectifs que nous avons, euh, assignés. Alors, sur ce, d'autant plus que maintenant, tu t'occupes de la direction du marketing je t'annonce que tu as droit à un logement. Quoi ah Ouais. C'est normal. C'est grave, y a Vous êtes grave de Vous êtes garab évidemment. ah mais c'est un honneur que vous me faites là M. Seck. tout à fait ah bon maintenant euh, en ce qui concerne le logement il y a quelques réflexions qu'on doit faire mais ce sera à ma charge. ah oui. faire comme Quoi? tu ah, vraiment, beaucoup la sonal, Michel Sec. Déjà, ce que tu as fait pour moi, t'as trop fait. Beaucoup fait même d'ailleurs. Je suis tellement euh, sensible à tes... Bon, n'en frappe pas. Non, frappe pas. <laughs> Voilà ce que je vous dis. N'en frappe pas. <laughs> Merci beaucoup. Merci beaucoup. pour ton soutien. Tu es très gentil. Il y, y, a un grand changement depuis que tu as mis les pieds dans cette entreprise. Sincèrement. Je sens ton art, ta façon de faire. Et je suis très enchantée par ta manière de s'habiller. <laughs> ça n'a rien à voir avec le boulot, mais ça me va droit au cœur. Mais non, c'est, non, marketing, c'est <laughs> Mais ça va, ça va. Merci. C'est bon Oui. <laughs> Je vous remercie infiniment, M. Sec. Je t'en prie, madame. Merci beaucoup. À bientôt alors. Merci, waaw Mère Khoudia euh, waxtaan bi ma bëgg waxtaan bi ma ñëw ba léegi yàlla def na ne mënuñoo toog ba waxtaan ndax ñun kër gi dañ fi mënatul dëkk te ndegam màkk ak sañu ngi daan yónnee bu ñu tabaxal ñu suñu kër te bi ñu ñëw ba léegi waxoo ñu ci kër googu moo tax ma toog wax ak yow boo xam ci kër googu parce que ñun fii mënatuñ fi dëkk dañu bugg dem toxu suñu biir kër. gan kër ngeen ma doon yónni man li ngeen ma doon yónni dama ci doon dund rek de Pape dama ci doon dund rek. mère Khoudia yow yow mère Khoudia xam nga ne li ñu la doon yónnee xaalis boobu yëpp yooyu du pour dund. muy yow xanaa gisoo jamono ju metti ji ceeb yokkul diwlin yokkul courant ndox muy mère Khoudia. ñun dañ la daan yónnee li ngay dunde ak li nga xam ne pour tabax suñu kër la d'accord te yoo loolu c'était clair yoo xam nga loolu mënoo ñu teeree nii c'est pas possible. oui seetil geneen kër waaye du gi kër de. danga nga bëgg a wax kër googu amul. seetil geneen kër kii sama kër la xujja si moo ci ne un point un yaa xujja yow suñu yaay nga yow lii ñu ko def yow. ah. pexe Pape. yow nan la mën a jëlee suñu alal jox la ko mu nga jël ko lekk ko ba pare di ñu wax di ñu tere li mënu nekk. dama ne la bu ma sonal ak wax ju bari bu ma sonal ak wax ju bari ah nit. waaye ab ba mu des yow. dama ne xaalis bi daal dugal naa ko su ma ko war a dugal du ma wax loolu waaw monsieur Konaar li nga jël ci café bari na wàññi ko man monsieur Konaar bu seddee café rek laa naan. café rek kii comme drogué booy bi. et puis pare liñ ci def ci suukar bariwul. déggoo li ma la. ki ne lay naan café café laay naan cigarette jeex baax na rek ah may gis nga temps yi Thiès nu mu mel yow. café gu bari wàññi ko. Ah. loolu grand loolu Konaar wax dëgg la de. ah sama boy. café gu bari daal moom ñëpp xam nañ fi mu jël nii rek. <laughs> Eh, non bul ñëw foofu nag bul ñëw foofu bul ñëw foofu. man moom café tuuti lay def def beaucoup de l'eau ça va ça va bien. wala ngaa yéex a génn ah. mais yow affaire boobu nga ma waroon jox. xaalis jox ma ko. mais ñu ngi nouvelle. ban nouvelle la ti. xanaa jaay leen affichage madame Fall a été nommée directrice chargée marketing entreprise bépp. loolu kañ la ça c'est pas normal xanaa yëglu note de service bi xanaa jaay leen affichage ngeen gis ko. non jaaruñu affichage. ah parce que ngeen waxoon jaar da ngeen. mais monsieur Konate loolu loolu noonu lu war a yow lu mel noonu war a ko seetaan biir boîte bi. Euh, ñun ñaata ñaata ñaata at lañ def si boîte bi fii. Déthié Déthié madame Ndaw ah, mais déglu ko. madame Fall bu ñu ko nommee chargé du marketing mais c'est normal elle a des diplômes yu ko permettre mu occuper station bi. mais ñun yoruñu ay diplôme. non je regrette. diplôme yi nga la nga jël direction marketing. permettre la ko mais ñaata monsieur Diop soyons franc soyons franc. non non non non non monsieur Konaré mais ñaata at def ci société bi. non ça ça là problème day nombre dat ku nekk da am foo xam ni sa niveau fa lay boo fi defoon cent ans it sa niveau yemu ci nga. non loolu dëgg compétence mhm. expérience mhm. wax mais elle a de l'expérience elle a travaillé en France avant de venir au Sénégal mais elle la fait prouver. non, gisaguñu lu fi ah gisoo lu prouver. prouvé non non man gisaguñu ah, certainement non mais madame Ndao n'oublie pas que moi j'ai tiens mm. personnel je sais j'ai vu son dossier ah, elle a des compétences qui permettent ne permettre na ko station non monsieur Konaré affaire bi madame Fall ak monsieur Seck am na luy lëcc ci diggante bi quoi. dossier yi ñu qui ko defar nii nii. am na luy lëcc ci diggante bi ci la demee noonu bootu da koy

Alors, Madame Fall, comment tu trouves l'endroit oh, c'est super. C'est extraordinaire. Ici, c'est le Palais des Arts. Ah oui, j'ai vu déjà. Mhm. Mais vraiment, pour moi, c'est l'endroit idéal pour accueillir nos partenaires. tout à fait. On pourrait y faire nos séminaires. Ensuite, il y a de l'espace et il y a un restaurant. Oui, il y a un restaurant en plus, j'ai remarqué. Oui, bon, ça, c'est une fille. Eh, Madame Fall, tu as une imagination tu as un esprit de créativité c'est important pour la société. Eh, mais comme c'est à l'image de mon ah père. Hein. arrête Madame Fall. Ah non, c'est à votre image déjà. Attention. Hein. C'est ton pourquoi. Uh-huh. excuse-moi. Allô Allô Ouais, chérie. Comment vas-tu ah, hein, Ça va bien Pourtant non, c'est que demain je ma avec DG parce que nous avons euh, visité le palais des arts Nous avons ay partenaires yu il nous fallait absolument ñu am un euh, lieu où les accueillir quoi ñu ne woon palais des arts pour hall, mais vraiment c'est l'endroit idéal Mon hein. chéri, chérie ma guddee yow tamit es <laughs> ci liggéey bi la Ouais, d'accord. Ouais, magnon, magnon. Ok, chérie, bisous, bisous. Je t'embrasse très fort. Ciao. Ton mari me paraît être très jaloux. <laughs> Il n'est pas jaloux. <laughs> non, il n'est pas jaloux. Il faut me Il est accrocheur. <laughs> Et c'est normal, hein? Qui aime est jaloux. Bon, je sais ah, pas. il faut nous aimer. Comme moi, t'es il faut qu'on aille. non madame Farr donne-moi l'occasion au moins de t'offrir quelque chose. non non monsieur Seck je suis désolée mais il faut que je rentre mon mari m'attend il faut que je rentre la prochaine fois hein vraiment. <laughs> à l'impossible. nul n'était Waouh, waouh. papa yaay loolu le na. Ah, tiens. Salut, tu vas bien Ça va bien Non, mon a... Ça nga de. ouf trop naa tey. teel naa wàcc tey. mais dama jaaroon euh, sama kër cousine bi naan xadi. xam nga elle m'a de Londres nee naa dama wax yaay mu indil ko cuuraay defal ko ko colis. ah nekkoon ci loolu di ko lijjanti.

Ça va, ça va, Regarde. Euh, Tu sais que je ne pouvais pas manger, il fallait que je m'en Ouais, chérie on t'a pas mangé on topp petit café bien de naan ah, ah mais t'es en train de te bousiller toi. non c'est rien du tout c'est rien du eh ben, tout. mais j'ai du jus de voilà, là, ça ça, mais pas du café. tu prends trop de café papa. j'ai l'habitude. hein sais Sec, bonsoir. Oui, ça va bien, merci. Comment Mais man je ngi doog Des partenaires qui viennent de la Suisse. Ah le monde, je doy waar de. man déjà maa Ok, suis Bon, ok, ok, n'y a pas de problème. Ah, t'es déjà en route Ok, dans cinq minutes. Oui, à très bientôt, monsieur Sec. Merci, au revoir. Hein euh, Pape, c'est mon DG qui a appelé là. Ouais. Ben, je sais que les femmes partenaire, partenaires, ils vont tout de suite. Je sais que les femmes donc nous euh, wax aller à l'aéroport. donc euh, il faut que je moi-même à l'aéroport tout de suite. ah non c'est ça, toi tu viens juste d'arriver c'est pas possible ça Hein? toi tu arrives tard et puis à cette heure-ci on te rappelle pour que te pas mais xanaa moo tu non mais comprendre dans l'éducation situations parce qu'à n'importe quel moment déjà mon nom sort ou bien quelqu'un du service et je dois être présente xanaa loolu est-ce que tu te rends compte qu'on n'est plus mariés là. ah, ah, ah. vraiment me comprendre et comment. non parce que tu rentres tard on t'appelle à une heure du matin à minuit à n'importe quelle heure tu quittes la maison tu t'en vas Moi, tu suis seul maintenant les les je sais plus mais mais il faut que comprendre bien affaire moi je m'occupe du marketing de la société donc une négociation je am me présente quand même mais pas mais qu'est-ce qu'il y a mais liggéey la mënuñu ma woon ci sama liggéey tu tu sais très bien comment je tiens à mon boulot hein je tiens à ce travail donc war ma ko quand même. mais aussi ça ne ça fait plus partie du cadre du travail parce qu'il n'y a rien euh, quand même je Pape man daa lan lay nga il faut vraiment que j'y aille d'accord. ah non ah non. ah, ah non comment ah non ah non pour ce soir mon, c'est pas possible. ah ah ah. ah, je ne comprends plus rien Ce c'est pas possible comment Laisse-moi les gueules. de wóor na ma ne DG est là il m'a fait dit dans cinq minutes nga me fais ne me dis pas que tu fais scène de jalousie eh, ah, c'est pas un problème de jalousie. mais il faut nga xam ne da ngay mais damay sëy c'est terminé.

mais boo génnee moi je prends mes clés et claque et je rentre chez moi. tu rentres chez toi. Waouh. waaw. waaw man damay pas jom mi wala là Yo, par là je ne te reconnais plus. non non yow xam nga ma xam nga sama Yo yow xam nga ne bu nekkee ma ne dama naa génn à pareille heure traîner. de toute façon je suis une femme mariée. écoute-moi bien de toute façon ça c'est pas mon problème. toi et ton directeur là xamatuma tout ngeen di def là la. quoi je sais pas ndax liggéey na wala lan. comprendre soit tu restes ñu xam ne da ngay sëy mënoo tu parles avec lui moi je rentre chez moi. Il te rappelle. Ah oui, DG. Ouais, je suis là, je sors. Ah, c'est vous, monsieur Sec Oui. Est-ce que vous pouvez laisser ma femme tranquille Mais qu'est-ce que vous dites comme ça Je vous demande de laisser ma femme tranquille, d'accord Surtout ne me touche pas. Hé, eh, je parle avec vous, hein Surtout ne me touche pas. Voilà, c'est tout. Alors ne remets plus les pieds ici. Je y Move